Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes, pour la prospérité de la culture nigérienne, le studio Kalangu présente l'artiste s'exprime. Et l'art est au début et à la fin de tout développement. Et ici, sur le studio Kalangu, nous avons compris cela. Une rubrique spéciale consacrée à l'art et à ceux qui le pratiquent. Une rubrique intitulée L'artiste s'exprime en deux versions, franco-aoussa, franco-germain. Aujourd'hui, sur cette émission, nous allons recevoir une grande star. Elle fait le buzz sur la toile. Tout le monde en parle alors où je parle. Pour cette raison, puisque nous faisons aussi avec le buzz, nous l'avons sollicité. Elle a répondu présente. Elle, c'est tout simplement Cardi B Nigérienne La Pioche Dandy, de suite la bienvenue, comment tu vas Ça va très bien. Eh, tu cartonnes comme pas possible aujourd'hui, tout le monde parle de toi, les réseaux sociaux, les pages du Niger. facebook <laughs> eh, Facebook est inondé de La Pioche. La Pioche, ça va Ça va très bien. On va d'abord commencer d'abord euh, par comprendre un certain nombre de choses, à commencer par l'identité. On va commencer d'abord par La Pioche. Ok, d'accord. La Pioche veut dire quoi La Pioche veut dire ce qu'on utilise pour créer un tour avec. Donc, euh, giga Merci. Vous allez jigani ganase, jigani Jiga. Donc nous, jigano. Jigano. Donc, <laughs> ah, nous sani mo mine Voilà. Donc, avant, avant, avant, avant, avant tout ça, avant que bar Foro, batora. Pourquoi la pioche? Mais il non carré, jiga. Pourquoi la pioche? Parle-moi de ça. La pioche, en fait, c'est une partie de mon corps qui s'appelle pioche. C'est où la partie de ton corps qui s'appelle pioche C'est là. Aïfoura <laughs> ah, là, <laughs> Donc c'est cette partie de ton corps qui s'appelle pioche. Pourquoi cette partie de ton corps s'appelle pioche Parce que dès que tu touches, ça te pioche. Donc c'est intouchable alors. <laughs> <laughs> La pioche Mesdames et messieurs, sur la rubrique L'artiste s'exprime du studio Kalangu. Alors la pioche, comment est-ce qu'on t'appelle à l'état civil Romichou. Romichou mais rumishu banda ma faux voilà Oui. Ruma le nom le nom vrai ok après Rumishu Rumishu le nom d'artiste voilà non Rumi le nom d'artiste c'est la pioche Rumi pioche Rumi pioche donc du coup Ruma Natu non mala Rumi Rumichou. Mais jamais il m'appelle Rumi Rumichou. Et ton nom d'artiste c'est Rumi la pioche. Ok. Rumi la pêche. Tu fais de la musique Je fais de la musique. Tu fais quel genre de musique en fait, je parle de je vais chanter, je vais rapper. Ou tu ne t'es même pas encore décidé, tu ne sais pas si tu vas chanter ou rapper. Vais, je, en fait, ce que j'ai en tête, je retouche un peu partout. Dès qu'une chose te vient en tête, seulement tu je voilà. Donc tu es déjà une touche à tout quoi. Voilà. La Cardi B du Niger, pourquoi on t'appelle Cardi B du Niger Partant déjà de ton style ou c'est quoi Ou partant déjà de ta folie ou c'est quoi Le truc, explique-moi le contexte. Voilà, parce que moi ce que j'ai en tête, Inch'Allah, bientôt, je serai Cardi B, Nicki Minaj, Rihanna, Niger. Tout simplement. Qu'est-ce que tu as en tête maintenant Dis-moi qu'est-ce qui te passe en tête Tout ce que tu peux me dire, tout ce qui te passe en tête. Dis-moi quelque chose qui te passe en tête sur cette émission, sur le beat. Fais-moi sortir un truc de malade. <laughs> Ouf oui, un truc ça, qui, viens vient de la tête, parce qu'apparemment tu me dis que tout vient dans la tête. Tu te poses, on lance le beat, tu dis ce que tu as envie de dire, parce que tu fais sortir tout ce qui est dans ta tête. Fais-moi ce truc, un truc qui est dans ta tête maintenant sur cette émission. Je fais du ouf, je fais du sale, je suis fort dans la tête. Tout simplement. Tout simplement. Je suis fatigué. Ouais, fatigué. Pourquoi toujours nous Voilà. Pourquoi toujours nous et tout simplement fatigué Mais de normal, mais quelque part, hein, il faut dire par là qu'aujourd'hui tu cartonnes sur les réseaux sociaux. C'est parti de quoi Partant de quoi J'ai lancé une le freestyle sur YouTube, plus les gens sont là en train de prendre des photos, critiquer, insulter. Bref, c'est ça qui a fait de moi une star. Ça a donné beaucoup de buzz, voilà, etc. Ils sont en train de dire. Ça veut dire quoi Pourquoi Pourquoi Pourquoi Pourquoi Toujours non ouf, bref. Donc, du coup, ça t'a donné du buzz. Alors, moi, je voudrais comprendre une chose. Il faudrait qu'on comprenne un certain nombre de choses avant la fin de cette rubrique. Cette rubrique qui sera diffusée samedi à partir de 17h45 minutes. Tu cartonnes, tu as fait ton buzz, tu, as fait, tu fais l'actualité sur les réseaux sociaux, tout marche très bien. Ok, d'accord. Alors, qu'est-ce que cela te fait Dis-moi ce que ça te fait. Ça te donne la force, le courage de continuer La ou bien force, le courage de faire quelque chose de de plus dingue que ça aussi. Donc, euh, comment, de la façon dont on te taquine, on te critique, on te fait, ça te donne toujours la force de continuer Toujours la force de continuer. C'est quoi ton secret Pourquoi bref, euh, déjà, il faut déjà, l'artiste, il faut déjà toujours t'attendre à ah. les critiques, t'insulter, dire que c'est pas bon, tu es nul, etc. des choses. Donc ça, je le sais déjà. Plus tu dis que déjà je suis nul, je sais rien faire, plus j'ai des idées en tête déjà pour corriger. Les idées de malade. Voilà corriger faire quelque chose de dingue. Actuellement, les gens sont là en train de m'insulter. Ce que je prépare dans la tête, c'est tellement dingue, ouf. Voilà. Ok. En fait, il y a du, donc qui arrive. Vraiment. Waouh. Putain, fallait voir. Ça, va venir. Tu ne dois pas te décourager Comment Mais décourager pourquoi Un album en cours. Putain en cours, Inch'Allah. Eh, pas de soucis. elle voulait dire plus quelque chose, mais elle, quand même, euh, n'est-ce pas, donc elle ne veut pas sortir tout ce qui sort de sa tête. Nous sommes pratiquement donc à la fin de cette rubrique, mesdames et messieurs. La musique, avant de finir, tu l'as commencé quand La musique, je l'ai commencé, ça même pas un an, juste neuf mois. Donc en 2020 Oui, en 2020, on est passé ta première sortie, tu te rappelles de ta première chanson Oui, est-ce que c'est le 15 juillet, je crois. Qui va, ça va sortir le 15 juillet Oui, c'est. Après, dans, un an d'underground. Il n'y a pas de souci. Alors, la pioche. Nous sommes à la fin de la première partie. Cette partie qui, est quand même, à parler de toi et de ton parcours. Le parcours en question de la combattante. Tu as un mot à l'endroit de la jeunesse nigérienne qui kiffe cette émission. Un mot pour leur dire que ben, tu es là et que tu leur prépares du lourd parce que dans un instant, ou disons demain, nous allons parler de toi, on va parler de ta musique, on va parler déjà de ton freestyle disponible, on va parler de ta vidéo qui est en cours. Alors l'instant est solennel. Un message, une minute de temps d'antenne pour toi, la pioche, sur l'artiste s'exprime. Hey. En fait, euh, il me sauve que continuer parce que ça fait de moi une star. Plus Agotay se buzz, plus Borego Gaibay. Les gens sont là. Pourquoi, pourquoi, pourquoi beaucoup soient. Voilà. Il y a des goûts partout. araga sait que c'est une musique commenter aime so bagna jusqu'à présent m'en découragé mais eh ay way du bay je sais ce que je fais et je sais ce que je prépare pour vous je sais que par après vous allez revenir dire que voilà pourquoi déjà pourquoi pourquoi voilà, pourquoi on t'a insulté Pourquoi, pourquoi on t'a insulté Je préfère mourir incompris que de passer toute ma vie à m'expliquer. Les gagnants, ce n'est pas ceux qui ne sont jamais tombés, c'est ceux qui ont su se relever après la chute. On tombe, on se relève jusqu'à la destination comme un bébé qui apprend à marcher. C'était donc euh, la pioche P comme grand P, la Cardi B dirigeait. C'était la machine c'était les humains, c'était l'artiste s'exprime. Hey.